donc je pense que wax ji warul gudd tey parrainage moo ñu fi indi pour ñu wax euh, état d'avancement parrainage suñu délégué régional wax donc nous, ñun en tant que mouvement de soutien nous nañ ñu wax ban place occupée occuper par rapport à ce parrainage bi nga avons tay le président donc il faudrait comprendre d'abord que les mouvements de soutien soutiennent les actions du président de la République ils sont des actions nobles ils sont des actions concrètes ils sont des actions pour des lendemains meilleurs pour le Sénégal donc tay motax ñun taxaw le président Ousmane Tarondien qui est un homme d'État humble, qui a choisi de euh, le président Maxal, c'est parce qu'il est le meilleur candidat. Donc nous tous, ensemble, nous devons travailler autour de l'essentiel. Essayer de travailler massivement pour donner la majorité à notre seul et unique candidat, le candidat de l'émergence, comme, le, je paraphrase toujours euh, le ministre Maguetsei, le président Maxal est le candidat apte. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse, quand je parle de la jeunesse, je mets chaque fois de magnifier bi le traiteur de la poste Siré Dia à l'endroit de la jeunesse donc c'est l'offre de la jeunesse donc un pays magnifier donc j'appelle à la jeunesse thiessoise que tey ties ñun ñoo avenir donc si je démarque pour créer un mouvement de soutien c'est parce que président de la république New York, York, président de la république technifie le plan Sénégal émergent émergent qui a dessiner des perspectives merveilleuses pour l'avenir du Sénégal donc nous jeunes nous bénéficier donc nous, nous nous ñu sur nous à l'affront donc je pense que nous, les mouvements de soutien nous à l'assaut nous sommes des hommes de terrain nous nous donc nous xam nañ nous fu terrain euh, les mouvements de soutien donc je pense que nous war donner plus de considération mais aussi plus de si nous nga xamante ñu ngi pour mener le président Macky Sall donc je ngi remercier mais de magnifier encore di wax ni occasion le Président il n'y a que des personnes de valeur et nous moi en tant que jeune je prends référence en vous parce que j'ai toujours appelé à l'unité à la fédération donc aujourd'hui je pense que nous avons tey le ministre Augustin Tine kooku kenn mënu ko ñun ñun duñu ko sant mais dañ koy ñaanal par rapport à son de de fédérateur bi nga xamante ni am na ko ci dans la coalition Benno Bokk Yaakaar ñun tey les mouvements de soutien bu demee ba am place dans ce euh, euh, fii nii euh, ci Thiès donc moom joué ci rôle bu am solo donc tey maa ngi gën di rappeler à l'unité te tey nous sommes devant les damay ñaan.

Idrissa Seck la victoire Idrissa Seck je vous remercie